ñu duggoon ci benn multinational boo xamante ne mu ngi fii ci Sénégal ñu liggéey fa ma liggéey fa ñaar fukki at ak lu teg ba fay liggéey aussi njëkkee naa ci département manutention ensuite terminal à conteneur bi demoon naa ba ma koy diriger ma jóge fa occuper yeneen responsabilité yor logistique ba yor transport ba transport longue distance comme ni ñu koy waxee yoroon sax benn jamono ñaari société yoo xamante ne ci multinational bi la bokk benn ñu tuddee ko TCS beneen bi ñu tuddee ko euh, SDV transport logistique international ma jóge fa yàlla suturaal ma ba tey ma yoroon fa benn poste boo xamante ne chargé de la recherche du développement et de la stratégie ñu rattaché woon ma directement ci directeur régional ba yàlla suturaal ma ma liggéey ci yenn dëkku sous région bi def fa ay mission yu xawoon doy waar mais yàlla sagal ñu ba expérience bi ñu tiire ci Sénégal permettre ñu ñu redresser te structure yooyu nekk ci bitim réew waaye loolu yëpp nag ba ma ko defee ba noppi entreprise yi liggéey ci poor bi yëpp yi ci ëpp sax ñu tu bokk ci benn structure bu ñuy tuddee SATS ñoom ñu wóolu ma dénkoon ma SATS bañ ma dénkee SATS SATS mën naa ne kër yu mag yi nekk ci port yëpp ñu ngi ci woon te ñu ngi ci woon te mu nekk ay structures yoo xamante ne léeg-léeg sax jubboowuñu ndax ñu ay activité ndax transitaire beeg manutentionnaire beeg consignataire beeg ñoom ñëpp ñu ngi woon biir SRTS man nekk genre arbitre nag pour ñoom ñëpp ñu wóolu ma ci ma yor ko ñetti at ci la ma président Macky Sall nommé après directeur général COSEC. Pour lui, il était primordial que son onzième bébé porte sur sa passion, son métier. Ce livre de 150 pages pourra servir la génération future. man nga xamante ne yàlla ma jaar jaar boobu est-ce que j'ai na ma bind fukki téere mu bu ci manqué tax ak bi ko li tax ko aussi dama ne dama koy bind pour que jaar-jaar bi ma am nan laa koy yombalee xale yombalalee xale yi après parce que xale yi léegi dañuy spécialisé malheureusement ou heureusement euh, docteur les jeunes se spécialisent très tôt est-ce une bonne chose est-ce une mauvaise chose yàllaa

dugg ci métier su ma leen nee daan danañu débarquer locomotive nga seen ah. Étienne Senghor seen Ablaye Fall ku rekk sol casquette am fàtte cadre bi mu doon dem ànd ak docker yi di xool nan la ñuy manipuler colis boobu le b.a.-ba du li mbër ma daan wax dañ ko ñaay dañ ci yàgg ba xam ci lu bëri loolu est-ce que jaadu woon na ma bind fukki teel te duma bind ci lool pour que un peu de ce que font les autres. Pour son ami Etienne Senghor, Mamadou est un précurseur dans ce domaine car oui, il y a des textes, mais il parle surtout de l'aspect juridique du secteur portuaire. Selon lui, cet ouvrage est très important. Il va servir aux usagers du port. Dans le domaine portuaire, généralement, il y a des écrits, mais des écrits en fait, c'est des écrits qui portent sur les côtés juridiques contractuels, mais des écrits sur les métiers de manutention, on en trouve très rarement. Si on en trouve, c'est des aspects assez épars. C'est un ouvrage qui permettra en fait, qui contribuera à rehausser, n'est-ce pas, euh, l'image du port qui permettra également, qui contribuera à renforcer les performances les performances des entreprises portuaires et également du port. Parce qu'il faut dire, en fait, il ne sert à rien, en fait, de pratiquer sans pour autant savoir réellement ce qu'on fait. Donc, la base théorique les aspects théoriques sont extrêmement importants si on veut être performant dans la pratique. La plupart des ouvrages mis à la disposition des étudiants à l'UCAD sont des œuvres françaises. Ce livre, en plus d'être écrit par un homme expérimenté en la matière, est un pur produit sénégalais, à aux générations futures. Moi, serait un gâchis que de capitaliser une vingtaine, une trentaine d'expériences, de partir et de ne rien laisser à la postérité. Et en lisant cette, euh, ce manuel, effectivement, le profane s'y retrouve, le connaisseur s'y retrouve, le chercheur qui n'est pas forcément connaisseur des choses sénégalaises, il en a pour son compte également. Donc l'un dans l'autre, effectivement, c'est un ouvrage très, qui sera utile, utile pour les professionnels, utile pour les chercheurs, utile pour les enseignants de l'université et par rapport en tout cas au milieu, je pense que les conseils des chargeurs, les portuaires ont un bel, un bel instrument pour euh, pouvoir euh, approfondir la matière. Cependant, la question que tout un chacun se pose est pourquoi publier maintenant cet ouvrage Sénégal dafa un port bu ñu tuddee Ndayane mu ngi waaj a muy vision président de la République am port Bargny Sendou sori nañ ci am sori am les ports secondaires notamment Ziguinchor ak yeneen port yeneen Dakar bi colonisateur de ko fi 1853 pose première pierre avec la chambre de commerce 1853 Le lu Sénégal Avant avant président Maxime, il y avait mooy dañuy yaatal ci port bi rek ay terminaux waa ah, président génn bi mu génn Ndakaaru parce que defar ay ports un peu partout qui ci 700 km de côté. est-ce que ñun ñi nga xamante ne am nañ chance yu jàng est-ce que waruñu accompagner loolu pour que xale yi nga xamante ne war nañu jàngi war nañ dem liggéey ci port yooyu ñu am jumtukaay bu ñu mën a gën a teel a comprendre métier loolu moo tax liggéey bi jëm maanaam vision bi état bi am di tabax ay port un peu partout moo tax ñu ne nañ ci génnee benn téere boo xamante ne dina gën a yombal xale yi suba seen formation par rapport à ces cœurs de métier Métier portuaire et focus sur la manutention est un ouvrage sacré qui sera un livre adapté aux circonstances du pays, un appui pour les aspirants au métier portuaire. C'est vous dire toute ma fierté et toute ma satisfaction d'avoir quelque chose qui manque dans l'échiquier, c'est les métiers portuaires. C'est très généreux d'avoir fait ce travail, de le mettre à la disposition de tous, parce que le livre, c'est ça. Mamadou Nyon est à la tête du COSEC depuis trois ans. Bon nombre de ses collaborateurs apprécient son travail. Pour eux, il est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Lors de la dernière foire internationale de Dakar, j'ai surpris des opérateurs économiques, des chargeurs en train d'entretenir une, conversation. En conclusion, ils ont dit, ils ne m'avaient pas vu. Si le président demain cherche à le déplacer, nous nous y opposerons formellement. Bon, je me suis dit dans mon fort intérieur, est-ce que vous pouvez empêcher le président de prendre sa décision Mais cela ne fait que confirmer l'adage selon lequel l'homme qu'il faut a la place qu'il faut. Maintenant, le débat est là, c'est un dilemme. Il faut choisir. Mamadou doit-il rester au COSEC indéfiniment Doit-il aller vers d'autres cieux où l'appellent les intérêts supérieurs de la nation La question est là. Moi, personnellement, j'ai la réponse. Je vais la livrer ici. Mamadou ferait un bon ministre de l'économie maritime. Il est toujours dans le monde maritime et il a progressé sur le plan politique. Après son recueil de poésie Émerveillement, Mamadou Ndiaye publie cet ouvrage pour répondre à une forte insistance des acteurs d'un domaine riche et varié et sans cesse évolutif, les métiers portuaires et la manutention.